Mardi 19 euh, mars 2024, il est 11h à Niamey et partout au Niger. Chères auditrices et auditeurs des programmes du studio Kalangou, bonjour à vous et bienvenue dans notre émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, c'est Ali Moukela Ousseni alias Seno et Rukayatou Abdraman. La technique d'aujourd'hui est assurée par Issa Lawali et à l'édition, nous avons la grande dame Rahilatou Soumana. Bonjour Rukaya. Bonjour c'est nous. alors qu'avons-nous au menu ce matin Oui, comme d'habitude euh, dans le Niger, sur Kalangou d'aujourd'hui, il y a le flash d'information du loti avec les femmes du studio Kalangou, du sport avec euh, notre chroniqueur sportif du jour, il s'agit de Adam Sariou, de la culture linguistique et comme nous sommes mardi, nous parlerons santé dans la rubrique hebdomadaire, sans oublier l'écho des régions et ce qui est à l'honneur aujourd'hui avec euh, le changement d'horaire de travail à la fonction publique pour le mois béni de Ramadan. Dans nos quatre nouvelles rubriques spéciales Ramadan, il y aura le conseil religieux, le conseil du nutritionniste, la recette culinaire et la rubrique rose. Nous terminerons avec euh, les messages vocaux de nos auditeurs. Dans la partie entretien du jour, nous allons écouter le vice-président du réseau des jeunes entrepreneurs de Mois. C'est parti. Sans plus tarder, fidèles auditeurs, voici le flash d'informations présenté aujourd'hui par Rafika Taher. Bonjour Rafika. Bonjour. Eh bien, à la une ce matin, le chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tiani, félicite son homologue russe Vladimir Poutine pour sa réélection à la tête de la Fédération de Russie. C'était dans un message hier sur les ondes de la télévision nationale. Il a assuré de sa disponibilité personnelle et du gouvernement du Niger à œuvrer de concert avec la Russie pour renforcer les relations déjà excellentes entre les deux pays. Ensuite, dans sa prévision hier lundi, la météorologie nationale prévoit une dense poussière en suspension avec des rafales de vent du 18 au 20 mars 2024. Cette situation réduit fortement la visibilité sur le pays. La direction de la météo recommande fortement d'éviter de s'exposer à la poussière, d'être prudent dans le trafic routier et mettre les enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies respiratoires à l'abri. Et enfin, le Niger s'impose une fois de plus en taekwondo avec la victoire de l'icône de la discipline Abdelrazak Issoufou Alfaga hier aux Jeux africains Accra 2024. Il a remporté la médaille d'or face à l'Égyptien Essam Abdallah par 1 à 0 au premier tour, puis 9 à 2 au second tour. Et c'est tout pour le flash de ce matin. Merci Rafika pour ces informations. Chers auditeurs, comme annoncé tantôt dans la rubrique Entretien du jour, nous aurons euh, le vice-président du réseau des jeunes entrepreneurs de l'UMOA. Il s'agit de M. Issoufou Adamou Idrissa. Oui, dans cette première partie, M. Issoufou Adamou Idrissa nous explique ce qu'il faut pour mieux entreprendre. Il est interrogé par toi-même, Rukayatu Abdraman. Monsieur Issoufou Adamou Idrissa, de votre expérience, pourquoi les jeunes femmes entrepreneurs ont du mal à accéder au financement Et même si elle arrive quand même à avoir accès au financement, ça ne marche pas comme elle veut. Vous savez, je dis toujours que l'entrepreneuriat, n'est pas le financement. Le financement vient en dernière position. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous donner des statistiques au Niger. Je vous défie de me citer cinq entrepreneurs au Niger qui ont réussi avec un financement au départ. Et je mets au défaut n'importe qui. Personne ne va pouvoir nous le faire parce que ça n'existe pas. Le financement, c'est en dernière position. Quand vous prenez un entrepreneur, quelqu'un, une start-up qui vient de commencer, qui a une idée et que vous lui donnez de l'argent, vous ne lui rendez pas service, au contraire. Vous l'aidez à bousiller son entreprise. Vous savez, il faut avoir le mindset de l'entrepreneuriat. Euh, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, n'importe qui ne peut pas entreprendre. Quand vous prenez quelqu'un y a une idée, il n'est pas forcément un bon manager, il n'est pas forcément un bon juriste, il n'est pas forcément un bon comptable. Alors que l'entrepreneur doit être un peu de chaque. Quand vous prenez un entrepreneur de départ, vous lui donnez de l'argent, il ne sait pas comment gérer cet argent-là. Il ne sait pas comment gérer son flux. Il ne sait pas comment gérer une comptabilité. Il ne sait pas comment gérer une entreprise. Il perdra cet argent et il se découragera et il ne continuera pas. Et il va continuer de chercher encore un autre financement parce que pour lui, c'est comme ça seulement qu'il peut réussir une entreprise. L'entreprise commence d'abord avec la volonté avec l'idée, la volonté et commencer. Il faut d'abord débuter. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander un financement à une institution financière qui va pas vous demander des états financiers d'au moins trois ans. Il faut déjà qu'ils sachent que votre entreprise est viable. Et nous avons cette manie ici, les jeunes entrepreneurs, de commencer dans l'informel. Alors, quand on est dans l'informel, on ne peut pas demander à une institution financière de nous financer. C'est pas possible parce que eux, il faut qu'ils voient les états financiers. Il faut qu'ils voient que cette entreprise-là est viable. On n'est pas forgé pour. Moi, je pense que ce sur quoi il faut aller, c'est surtout une formation préalable. Il faut déjà former ces jeunes entrepreneurs-là qui sachent c'est quoi exactement l'entrepreneuriat et à quoi s'attendre avant de se lancer dedans. Comment procède-t-on pour accéder au financement Déjà, il faut se formaliser. Déjà, il faut arrêter de travailler dans l'informel. Vous ne pouvez pas travailler dans l'informel et penser que quelqu'un vous donnera son argent pour que vous ayez faire une entreprise. Ce n'est pas possible. Il faut déjà que vous soyez formel. Aujourd'hui, par exemple, moi, en tant que Nigérien, j'ai envie d'investir, par exemple, aux États-Unis. Est-ce que je vais juste demander euh, une société, euh, quelqu'un va m'approcher des États-Unis qui me dit qu'il a une société, que ça marche, il faut que je donne mon argent Non, je vais demander à ce qu'il soit coté en bourse. Parce que je sais que quand il est coté en bourse, il y a une certaine transparence dedans. Alors, c'est cette même transparence-là que les financiers recherchent chez les entrepreneurs. Il faut que ces jeunes entrepreneurs-là puissent être transparents dans leur gestion et être formel pour pouvoir accéder au financement. Mais maintenant, le mécanisme de financement, il y en a tellement. Toutes les banques ont un portefeuille pour financer la jeune femme ou pour financer les jeunes. Sauf que nos entreprises ne sont pas assez formelles pour bénéficier de ce financement-là. Vous avez la SNFI, vous avez le FONAP, vous avez euh, les banques, vous avez les microfinances, vous avez euh, les Nations Unies, vous avez la Banque mondiale, tout le monde finance les jeunes femmes, tout le monde finance les jeunes. Pourquoi on n'arrive pas à avoir ces fonds Parce qu'on n'est pas assez formel et qu'on n'arrive pas à mettre cette transparence-là dans la gestion de nos entreprises. Je pense que c'est pour, pour ça qu'est le problème. Et Monsieur Issoufou, quel papier pour le dépôt du dossier de financement euh, Déjà, euh, il faut qu'il soit enregistré. Il faut avoir un IF et un RCCM, c'est la base. Il faut déjà être enregistré en tant que c'est quoi la notion de commerçant Alors, le commerçant, c'est pas celui qui fait juste achat-vente. Alors, pour être régulièrement appelé commerçant, il faut déjà être enregistré au registre de commerce du Niger et avoir euh, une identification fiscale. Il vous faut avoir le RCCM et le NIF, c'est le minimum et la base de tout. Alors, il vous faut ensuite, après ça, il vous faut avoir une comptabilité transparente qui va montrer vos entrées et vos sorties et déterminer quelles sont vos masses salariales, quelle est votre masse salariale, quelles sont vos charges mensuelles. C'est comme ça qu'on arrive à savoir si une entreprise est viable ou pas. Mais quand tu crées une entreprise chez toi et que tu prends ta cousine comme employée, tu prends ton frère comme euh, euh, euh aide, aide, entrepreneur, euh, ils n'ont pas de salaire, toi-même t'as pas de salaire, c'est pas une entreprise viable. C'est pas possible que vous puissiez accéder à des financements avec ce genre d'entreprise. Il faut forcément que vous arriviez à vous installer, à vous formaliser et à être transparent dans la gestion de votre entreprise. C'était la première partie de notre entretien avec M. Issoufou Adamou Idrissa. Il est le vice-président du réseau des jeunes entrepreneurs de l'UEMOA. Passons au conseil ramadan avec le prédicateur. oui, aujourd'hui, le prédicateur nous parle de la vertu des dates pour le jeûneur. Oui, les dates sont des aliments très consommés au cours de ce mois de ramadan. Selon le prédicateur Sheikh Mohamed Nassir, ce fruit est consommé depuis des milliers d'années pour ses vertus. Les détails avec eh, Sheikh Mohamed Nassir au micro de notre correspondante à Dosso, Nana Dizassan. A ice na duniya babu ice mai asali kamar dabinuwa, saboda laka wadda Allah ya halicci annabi Adamu da ita, ita ce ta yi saura sai Allah ya halicci dabino da ita ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya hori musulmi da cewa idan aka sha ruwa da azumi a ci dabino yana da sirri kwarai duk wani bitamin da aka sani a duniya to yana cikin dabino kuma a cikin minti ɗaya yake bada shi a jikin ɗan adam in aka ci kuma tun zamanin sayyidatuna maryam da aka aihi annabi isa aka ce mata ta kama dabino ta gilgiza ta gilgiza sai dabino ɗanye ya zubo ta ɗauka ta ci sannan dabino yana amfani ga macen da ta aihu macen da ta aihu ana so ta ci maga ɗanyen dabino saboda akwai kuma abin da yake sawa wasu cutoci su mutu malamai sun ce idan aka ci dabino kar a yi irin jifa da ɗiyan nan a girmama su saboda dabino ɗan uwan ɗan adam ne sai a ajiye su ƙauye ɗaya ko a yi rami abin ne C'était là le mot de chèque Mohamed Nassir sur l'importance des dates pour les jeunes Il était au micro de notre correspondante à Nana Hadizassan. Chers auditeurs, poursuivons avec la deuxième partie de notre entretien avec le vice-président du réseau des jeunes entrepreneurs de l'UEMOA. Qu'en est-il du business plan Pour le business plan, je vais vous dire que c'est un couteau à double tranchant. 80% des business plans présentés au Niger sont fausses. Alors, vous pouvez faire un business plan, c'est facile de monter un business plan. Effectivement, c'est la base. Malheureusement, dans notre société, les institutions financières, le mode économique que nous avons euh, décidé de suivre nous demande certains types de documents qui ne sont pas adaptés à nos réalités. Aujourd'hui, euh, vous allez faire un business plan, vous allez poser des questions, les gens seraient ravis de vous mentir alors ils seraient ravis de vous mentir. Vous allez poser des questions, ils vont jamais vous dire la vérité, ce qui va de fait biaiser votre business plan. Il vous le faut pour la forme, mais en réalité, c'est n'est euh, pas vraiment ça qui sera déterminant. Le business plan n'est pas vraiment déterminant, mais effectivement, il faut être formé là-dessus. Moi personnellement, je ne le fais pas parce que ça demande beaucoup de temps. Et, euh, mais il faut, il faut le faire. Il faut faire le business plan, mais quand vous posez les questions aux gens, quand vous faites les enquêtes, essayez d'amener les gens à vous dire la vérité. Parce que si ce qu'ils disent n'est pas vrai, vous biaisez de fait votre business plan et tout votre produit. Racontez-nous votre parcours. Comment vous avez réussi dans l'entrepreneuriat Qu'est-ce qui a marché pour vous Au départ, j'étais comme tous ces gens-là j'ai fini mes études, je suis venu, euh, j'ai déposé une centaine de demandes de stage. Personne ne m'a pris, même en stage. Mm-hmm. Après Après, j'ai commencé à entreprendre. Avec mon master, avec mon diplôme et tout ça, j'ai étudié au Maroc. Je suis venu avec tous mes amis avec lesquels j'ai étudié. Tout le monde attendait un poste. Alors, moi, je suis allé directement. Je n'ai pas eu même un stage. Je disais, j'ai déposé plus de 100 dossiers. J'ai commencé par faire un lavage auto. Mm-hmm. J'ai commencé avec un lavage auto. Après, j'ai fait un pressing. Après, j'ai fait un salon de coiffure, hommes et femmes. Vous vous êtes autofinancé 100%. 100%. Alors, Alors, j'ai jamais pris de prêt à la banque jusqu'à la date d'aujourd'hui et j'ai jamais eu un financement d'un seul rang. Et aujourd'hui, j'ai créé à peu près 8, 8, 8, entreprises avec plus de 600 et quelques employés. Donc euh, aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis, moi, je peux vous dire avec certitude que l'accès au financement dont on parle, c'est un faux débat. Parce qu'aujourd'hui, encore plus, c'est que les choses se sont tellement facilitées. Vous avez tellement d'institutions aujourd'hui qui aident la jeune femme, qui aident les jeunes, qui aident pour les financements. Quel est votre chiffre d'affaires Je ne vais certainement pas vous le dire. Donc j'ai une autre question. Comment faire quand la jeune fille n'a même pas, euh, pas d'argent nécessaire pour s'autofinancer Avec 1500, on peut commencer une entreprise. Avec 1000 francs, vous pouvez commencer une entreprise. Et si elle n'a pas les 1000 francs Elle n'a qu'à économiser. Au mieux, elle peut travailler quel que soit le type de travail. Quand je vous ai dit que j'ai financé mon entreprise, je ne suis pas resté, l'argent est, est venu. Je me suis levé pour chercher cet argent-là. J'ai commencé avec juste un tuyau et puis un robinet. Avec mon master, je lavais moi-même les véhicules. Personne ne m'a aidé, personne ne m'a donné quoi que ce soit. J'ai commencé comme ça. Si vous n'êtes pas capable aujourd'hui de faire comme la pauvre dame qui est à côté, qui va avec 1500 francs acheter des criquets au marché, venir les frire et les vendre et avoir 3000 francs et ensuite recommencer pour avoir 10 000 francs, ensuite mettre du tofu en plus et ensuite mettre euh, euh, du savon après, ensuite mettre euh, des huiles essentielles en plus. Alors, pour développer son entreprise, c'est comme ça qu'on gère de l'argent, c'est comme ça qu'on génère de l'argent. Si vous attendez à ce que quelqu'un vienne vous aider, vous êtes mal barré. C'est la meilleure manière de faire échouer votre entreprise. Voilà, chers auditeurs, c'était là la rubrique Entretien du jour. À présent, c'est l'heure pour nous de suivre le conseil diététique. Dans ce mois béni de Ramadan, il est nécessaire d'avoir quelques recommandations des spécialistes de la santé, n'est-ce pas Oui, c'est nous. Et en ce mois de Ramadan, les dates sont très consommées par les jeûneurs. Elles font partie des fruits les plus populaires pendant cette période, comme l'a relevé plus haut le prédicateur. Selon le nutritionniste, elles sont énergétiques et qu'en plus du sucre, les dattes renferment de nombreuses vitamines nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme. Plus de précision avec le nutritionniste Abderrazak Bello au micro de Nafisa Adam. L'élément nutritif principal dans la date, c'est notamment son énergie. Parce que tout le monde, euh, en consommant la date, sent le goût sucré. Et ce goût sucré fait que la date est riche en énergie. Donc, c'est important lorsque le jeuneur qui a passé 10 à 12 heures sans avoir pris aucun aliment et bu. Donc, c'est important pour le jeuneur de redémarrer le moteur. Et pour redémarrer le moteur, donc naturellement, on a besoin d'un boost d'énergie et ce mm. boost d'énergie, on peut l'avoir à travers la date. Mais en plus de l'énergie, la date contient également d'autres éléments nutritifs. On a les, les sels minéraux, dont le potassium. On a également, selon les variétés de date, on a des vitamines, notamment la vitamine A. Et la date est un aliment léger et ça convient parfaitement à la rupture du jeûne. Mais sinon, à quelques différences près, où les variétés les plus rouges sont les variétés qui contiennent généralement plus de vitamine A. Fidèles auditeurs, il faut noter que religieusement et en médecine, les dates sont importantes. Merci au nutritionniste Abdurazak Bello pour ses précisions. On revient juste après cette courte pause. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Il est 11h euh, passé de 16 minutes. Cher auditeur, euh, le Niger sur Kalangou se poursuit cette fois-ci avec la rubrique hebdomadaire consacrée aux questions de santé. Exactement, sinon il est très important de s'occuper de sa santé, notamment pendant ce mois de Ramadan. Comment conserver sa santé pendant ce mois Réponse avec euh, le docteur Isaka Adamou Rachid, médecin généraliste à la clinique royale. Il est au micro de Zenabou Abdou. Le ramadan correspond à une période sacrée pour tous les musulmans. Pendant ce mois béni, le rythme et les habitudes jeuneurs musulmans changent. Il faut comprendre que un jeûne comme celui du ramadan ne doit pas causer des problèmes de santé, à condition que le jeûneur sache se nourrir correctement. En effet, ce jeûne est temporaire et ne dure qu'une journée, une journée, donc environ 12 à 13 heures de temps. Donc c'est lorsqu'il atteint une durée de 18 et 20 heures que le jeûne peut avoir des répercussions sur la santé. Donc en moyenne, la durée du jeûne ne doit pas avoir de répercussions sur la santé. Donc le problème majeur pendant le jeûne, c'est la déshydratation, puis en découdre. Car l'eau, comme nous le savons tous, est indispensable au corps humain. Et aussi que nous vivons dans un pays chaud. Et ces dernières années, le mois béni du Ramadan intervient pendant des mois de, de forte chaleur. Mais maintenant, comment mener à bien son jeûne tout en maintenant une bonne santé Donc là, il suffira d'appliquer les bons principes de la nutrition, c'est-à-dire manger le bon aliment en bonne quantité et au bon moment. Pendant cette période, il faut continuer à prendre les trois repas recommandés par les nutritionnistes avec quelques spécificités liées aux jeunes. Comme nous le savons tous, tous les nutritionnistes recommandent trois repas quotidiens. Donc pendant ce mois de Ramadan, en plus des deux repas phares eh, qui sont le, le qui est sur le repas de la rupture, et celui du sourd qui est celui pris avant le, lever du soleil. Donc là aussi, il faudra ajouter un troisième repas qui doit être pris après la prière euh, du Isha. Donc, euh, en ce qui concerne le premier repas qui est le tour, premier repas qui est la rupture, donc il est recommandé de ne pas retarder le moment de l'iftar. Et en ce moment, il faudra privilégier les aliments sucrés et bien hydratés pour nourrir rapidement l'organisme et lui permettre de récupérer tout ce dont il a perdu pendant la journée. Donc là, il faudra prioriser les dates euh, qui sont une excellente source de sucre, de fibres, et de magnésium et de potassium. Donc elle stimule l'organisme et le nourrit rapidement. Il faudra aussi consommer des boissons chaudes et sucrées, donc comme les tisanes, les infusions, la bouillie à base de céréales. Le premier repas doit être léger et il a pour objectif de permettre l'apaisement de la sensation de soif et de faim, donc résultant de cette journée de, jeûne. Après, nous avons le deuxième repas qui est pris 2 heures à 3 heures de temps après le premier. Là, le repas doit respecter la faim du jeûneur, sans pour autant en exagérer. Il faudra éviter les aliments trop énergétiques, surtout les graisses animales qui augmentent le taux de cholestérol. Il faudra prioriser là les soupes euh, donc les crudités et les fritures faites à base d'huile végétale, cette huile qui va permettre euh, de lutter contre le cholestérol. Il ne faudra surtout pas oublier de boire suffisamment de l'eau durant toute euh, la soirée après la rupture afin d'obtenir un bon état d'hydratation et pour assurer le jeûne du lendemain. Enfin, il y a le troisième repas qui précède le jeûne, qui est le repas le plus important d'ailleurs, et c'est pour cela qu'il ne faut pas le négliger et qu'il doit aussi être consistant. C'est de ce repas que l'organisme va tirer toute l'énergie dont il aura besoin pour la journée. Que doit comporter ce repas Ce troisième repas se doit d'être équilibré en quantité et en qualité. Donc il va comporter des sucres complexes ou lents, euh, donc des céréales, le riz et la pâte, à, base de céréales, de bouillies de céréales, des tubercules, du pain, qui sont disponibles pour l'organisme toute la journée. Le jeûneur pourra également consommer des protéines animales telles que de la viande, du lait, ainsi que des légumes sous forme de crudités ou de potage, avec un peu d'huile végétale et de fruits. Donc à cette étape, euh, l'hydratation, elle, est très importante, car l'eau est l'élément le plus indispensable. À peu près, quelle quantité d'eau perdons-nous par jour quand on jeûne chaque jour, nous perdons environ 2 à 2 litres et demi d'eau. Donc, dans les selles, les transpirations, les urines, et il faut les remplacer. Est-ce qu'on peut faire du sport à jeun Donc, il faut noter que l'activité sportive, les activités physiques à jeun sont contre-indiquées, car cela expose à, des dangers, entre autres euh, l'hypoglycémie, la déshydratation. En cas de pratique d'activité physique pendant le ramadan, donc il faudra préconiser les périodes après la rupture. Quelles sont les personnes qui sont exemptées et les patients chez lesquels le jeûne est contre-indiqué, nous avons les patients diabétiques, donc euh, dépendants donc traités à l'insuline, mais dont le diabète n'est pas équilibré. Nous avons des patients souffrant de maladies cardiaques. Il y a aussi les patients ayant des maladies aiguës, paludisme, des diarrhées. Et euh, il y a aussi les patients souffrant d'ulcères gastriques et aussi les femmes enceintes. Donc celles qui tiennent absolument à le faire, car une surveillance médicale accrue est fortement nécessaire. Pour tout malade désirant jeûner. Donc une consultation avant et après le mois de Ramadan s'avère indispensable. Voilà, c'était là la rubrique hebdomadaire santé avec euh, le docteur Isaka Adamou Rachid au micro de Zainabou Abdou. Chers auditeurs, si vous venez de prendre l'émission en cours, ne vous en faites pas. Vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission et tous les contenus du studio Kalangu sur notre site web le www.studiokalangu.org. C'est nous passons à présent à l'écho des régions, aujourd'hui nous restons à Niamey pour un reportage sur le changement des horaires de travail à la fonction publique. Oui, une décision prise par le ministre en charge de la fonction publique. Cette décision est diversement appréciée par les fonctionnaires. Plus de détails dans ce reportage signé Rafia Abdoulaye Moussi. Pour le mois des Ramadan, la ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi, dans un communiqué en date du 11 mars, a annoncé un changement dans les horaires de travail à la fonction publique, du lundi au jeudi de 8h à 16h30 minutes et le vendredi de 8h à 13h. Beaucoup de fonctionnaires ont apprécié la nouvelle, comme c'est que j'ai rencontré à Niamey. Donc, euh, bon, moi, mon avis, quand même, je crois que c'est une bonne chose, parce que ça permet, surtout aux femmes, de vaquer à leur occupation au niveau des ménages. Parce que si on dit de respecter les horaires, donc là, ça va vraiment les perturber. Donc c'est surtout sur ce plan que je vois que vraiment c'est une bonne chose. Bon, le changement pour moi c'est d'abord euh, opportun parce que avec les anciens horaires du travail, euh, les gens auront des difficultés à aller en pause et revenir et continuer. Donc pour moi, vraiment, c'est une bonne chose. Cependant, certaines ne partagent pas leurs avis, comme cette dame que nous avons rencontrée à son lieu de travail. Elle estime que sortir du bureau après 16 h ne permet pas aux femmes de préparer à temps la rupture d'hygiène. to communique in na minister de la fonction publique bisa ga yar in na ramadan da an kace a zan sabka 30 ni dai ganau nau gani yana gyara saura bai gyara saura tunda wasu suna cikin gari da sun tashi nan da nan suna iya su samu taksi su isa gida su yi abin da ya kamata kahin lokacin shan ruwa wa'ansu kuma lokacin da za su ɗoka su isa gidan da ya har lokaci ya yi kahin ma mutum ya samu taksin da za ta kai shi inda za shi duka lokaci ya ta ba zai ishe shi ba ya samu abubuwan da zai yi. london dans les avis partagés pour diverses raisons. Merci Rafia pour ce reportage. Un coucou à nos auditeurs qui nous écoutent à Niamey sur la radio Canal 3 et Radio Scout. C'est nous à présent place au sport avec notre chroniqueur du jour, Adam Sariou. Bonjour Adam. Bonjour Ruki. Bonjour nous. Bonjour. Adam, donc, euh, actualité l'oblige, nous irons directement à Accra aux Jeux africains où notre compatriote Alphaga a remporté une médaille d'or. Eh bien, Rookie, ils sont deux. Deux de nos compatriotes se sont illustrés au cours de ces Jeux qui ont débuté du 8 mars et prendront fin le 23 mars 2024 après la médaille de bronze arrachée par notre compatriote judoka Boubacar Adamou de la catégorie de 81 kg face à son adversaire mauritanien Boubacar Kamala la semaine passée. Hier, Abdurazak Alfaga a remporté la médaille d'or au 13e Jeux africains face à l'Égyptien El Sam Abdallah, au premier round, Alphaga a mené son adversaire sur le score de 1 à 0. Au deuxième round, l'icône du taekwondo nigérien éclate l'Égyptien sur une large victoire de 9 à 2. Merci Adam pour euh, toutes ces informations. Tu peux nous dire plus sur la carrière de Alfaga, bien, bien qu'il n'ait plus à présenter dans le domaine du taekwondo. Alphaga a tout d'abord remporté sa première médaille d'argent en 2014 aux Jeux africains de taekwondo. En 2015, il remporte l'US Open, puis médaille d'or aux Jeux africains. En 2016, il remporte la médaille d'argent aux Jeux olympiques de Rio et devient le deuxième athlète nigérien à avoir remporté une médaille olympique après le bronze obtenu par le boxeur Isaka Dabore en 1972. En 2017, il devient champion du monde de plus de 87 kg, médaille d'or aux Jeux africains de 2019 et au championnat africain de taekwondo en 2021 et plusieurs autres médailles et distinctions. Au lendemain de son sacre aux Jeux africains d'Accra, Alphaga, à travers son compte Facebook, salue tout le peuple nigérien pour son soutien et leur donne rendez-vous dans quelques mois pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Eh bien, chers auditeurs, c'est la fin de cette chronique. À demain pour un autre numéro. Merci, Adam, pour toutes ces informations sportives. C'est qui la star d'aujourd'hui, nous, nous allons découvrir euh, Ramatou Kombari, une jeune fille d'Agadez qui mène plusieurs activités. Depuis dix ans, elle milite pour les droits des filles. Son objectif, voir la jeunesse d'Agadez émerger, surtout sur le plan financier. Voici son portrait avec Habibou Garba rendu au studio en Tamashek par Tarnan Foudé Ahmed. تشام ورتزوزة تلات سنة تمرن وتا تام رحمة الله تموستام تتاسان تتابلان في الحق انتي برارين دخكومين تنقدس دفرا الشغل والناس الصغري واتا قوروات تموست موزر تنشي الناس قوار انت مدركون كومين تنقدس روات ليدا قوار غنزانزو تتي تمهلانا Avant, c'était très difficile pour moi. je n'arrive pas à dormir, les préparations, tout ça, la région de les Mais maintenant, je m'en sors vraiment très bien. Je vois que si tu t'aimes, dans la vie, rien n'est impossible. Bon, il y a des collaborateurs qui m'aident, il y a la famille qui m'aide, il y a des connaissances qui m'aident. Je suis entouré de bonnes personnes vraiment qui m'aident à compléter tout ce qui doit se faire. Par rapport à moi, je suis entrepreneur, donc j'ai mon restaurant. Je me débrouille pas mal, je cherche le marché, les postes café, tout ça là et j'aide beaucoup vraiment les gens nécessités. Abdul Hakim Vraiment, c'est une euh, femme très engagée en question de la jeunesse et de l'entrepreneuriat. Ramatullah, c'est vraiment une euh, femme très battante. Ici à Gadez, elle est vraiment très très courageuse et elle fait partie du conseil communal dont elle est la deuxième vice-présidente du conseil communal moi je préfère travailler pour avoir mon propre argent parce que vraiment moi je vois c'est la fierté c'est la dignité que tu vas venir vraiment t'abaisser dire de mourir, causer avec la personne même si tu l'aimes pas donc vraiment les filles sortez pour chercher c'était, là le portrait de Ramatoulaye. bien évidemment, euh, un portrait signé Habibou Garba rendu au studio par Tarnan Ahmed Foudé. On prend une petite pause et on revient juste après. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Maintenant, c'est le moment pour nous de découvrir le loti du jour, n'est-ce pas Tout à fait, c'est non. La rubrique Affairage de ce mardi parle de l'habit de fête. Oui, beaucoup de femmes se fâchent contre leur époux pour euh, certaines choses. Les habits de fête en font partie pour euh, quelques-unes, n'est-ce pas Oui, en effet, ce n'est pas une obligation de porter des vêtements neufs euh, le jour de la fête, mais si cela est possible, il est bon d'en avoir. Enfin, écoutons les échanges entre Samira Rouafi et Arimi. Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji. Hey! Matsukiji. ya zo gidan nan ya iske ni ko ya bani kayan sallah na ko kuma in je gidan iyayena abin ya yi yawa saura sati ɗaya sallah kuma har yanzu ban samu kayan sallah na ba <laughs> ke yar uwa me ke faruwa tun da waje ana jin ki kina hafshi yar uwa ba dole ba in yi ta hafshin duba ki gani fa sati ɗaya saura kamun sallah kuma har ila yau mai gidana bai kawo mini kayan sallah ba <laughs> wallahi kina ban dariya a wannan shekarun naki kin tsufa me ya kai kuma kayan sallah Kwarai kuwa, ai sallah ce, kuma ya kamata in sa kaya sabbi, kuma masu kyau ko? To amma ya ruwa, ai kina iya sa abun da aka gare ki tun da na san da kayan ki ba tsofaffi bane duka. Ni Allah ya kiyaye, sallah ce fa, kuma ya kamata a samu sabbin kaya. Ke, na haɗi miki wa, ko ya bani kayan sallah ne, ko kuma in tafi gidanmu. Hai, ‘yar uwa, wallahi ba da gaske kike yi ba, saboda rana guda, saboda kayan zaki kawo zancen zuwa gida Kwarai kuwa, tunda lokacin da nake gidan iyayena ban taɓa rasa kayan sallah ba. To ki san da cewa rayuwa gidan iyaye da rayuwa gidan miji ba ɗaya ba ne, sun sha bamban. In mijinki bai yi miki kayan sallah ba, wannan bai baki incin ki zo kina mishi hayaniya ba kina tada mishi hankali. Baki san aljihun shi ba, ko yana da ko baya da, kun baki san abun da ya shirya ba, ko abun da ya ci mishi kuɗi. Bayya ma yarda ya ce baya da kuɗi. Ke, ni dai fa ba abun da zai sa in sabka bisa kan ra'ayina. kawai kayan sallah na nike so yar uwa wallahi wasa kike yi in na gane abin da kike nufi kina son ki ce mini in dai mai gidanki bai baki kayan sallah ba zaki tahi gidanku ina son ki gaya mini cikin Kur'ani, cikin wace aya aka rubuta cewa dole ne sai mutum ya yi sabbin kayan sallah Koma ma ba dole bane ni dai ina son kayan sallah kuma ba na sa tsohin kaya ba ranar sallah eh mutane su ce mi kenan duk abin da kike yi saboda mutane ne kike nan gayi baki damu ba da mijinki da ya girmama ki gaban Allah da gaban mutane da ya aure ki ya rufa miki asiri duk da ki yi ba ki iya birge kowa da kowa mijinki kuma in yana da hali za ya faranta miki rai amma ba dole bane ya miki kayan sallah saboda ko addini bai tilasta ba gaskiya kina da gaskiya al'uwa hmm, har ma na ji kumya wallahi to tun da kin riga kin gane ai wannan kawai ya isa kuma nan zuwa gaba ki ringa tunani hakike yin wasu irin abubuwa insha Allah to na gode miki da wannan shawarorin da kika bani kin gani zai sama kar in je in tada mishi hankali ba gaira ba sai C'était là le loti offert par les femmes du studio Kalangu. À présent, il est temps de prendre soin de nous avec la rubrique rose. Et eh oui, aujourd'hui, chers auditeurs et auditrices, nos chroniqueuses nous parlent dans un premier temps de quelques recettes à base de la date et ensuite du danger de la consommation excessive du sucre. Écoutons Samira Rouafi et Mariam. tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la cuisine, la mode et la culture, du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traités et partagées par nos chroniqueuses. Eh, eh, Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Euh, bienvenue dans cette rubrique rose. La partie cuisine de cette émission, ça sera avec moi, Samira Wafi. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques recettes à faire avec les dates. J'espère que vous allez aimer. Alors, les dates sont l'un des ingrédients essentiels à la cuisine moyenne orientale et nous les retrouvons dans plusieurs plats typiques. Je vous donne quelques exemples de recettes orientales car les orientaux en utilisent en cuisine plus que nous. Les dates sont par exemple à la base de la tagine, le ragoût marocain traditionnel, généralement accompagné de couscous. Ils sont également utilisés pour d'autres combinaisons sucrées-salées typiques de la cuisine marocaine, par exemple avec de l'agneau et des épices comme le gingembre, le cumin, la cannelle et le safran. Si vous souhaitez préparer un plat simple mais riche en saveurs, testez cette recette de brochette d'agneau aux dattes parfaite pour profiter du goût intense de cette viande. Pour finir en douceur, découvrez la recette du makrout, une pâtisserie tunisienne vraiment gourmande à base de dattes et de miel. Maintenant que vous savez tout sur les dates, il ne vous reste plus qu'à choisir une recette gourmande pour les utiliser en cuisine comme source d'inspiration pour votre prochain repas sucré et énergétique. Ils donneront une touche de douceur et de vitalité à vos assiettes. C'est tout pour la partie cuisine. Mariam, à toi pour la partie santé. Eh, eh, dans la partie santé de ce dimanche, on va continuer avec les dangers du sucre. Éviter les inflammations chroniques. Le sucre stimule la production d'acides gras dans le foie, ce qui produit des composés susceptibles d'entraîner une inflammation. L'inflammation fait partie des mécanismes naturels de défense de l'organisme. C'est ainsi que le système immunitaire reconnaît et élimine les stimuli nocifs et favorise la guérison. C'est ce que l'on appelle l'inflammation aiguë. Elle peut prendre la forme d'un gonflement, d'une douleur ou d'une éruption cutanée. Une inflammation chronique silencieuse, lente et à long terme se produit lorsque ce processus se poursuit dans l'organisme après la disparition des signes extérieurs. Elle a été associée à un risque accouru de développement des maladies, notamment des maladies cardiovasculaire. En réduisant votre consommation de sucre, vous diminuez les risques pour votre organisme de développer ce type d'inflammation chronique et vous augmentez vos chances de conserver une meilleure santé à long terme. Alors Mariam, est-ce que euh, consommer trop de sucre a un lien avec la peau Est-ce que ça pourrait affecter notre peau Manger trop de sucre peut donc entraîner une inflammation et résistance à l'insuline, ce qui peut avoir un effet négatif sur notre peau. Les aliments riches en sucre peuvent effectivement vous remonter le moral ou vous donner de l'énergie lorsque vous en avez besoin en cas de fatigue mais ils peuvent aussi provoquer une baisse de la glycémie lorsque leur effet se dissipe, vous laissant en manque. Comment euh, réduire les risques de caries dentaires la carie dentaire touche 80% de la population mondiale et les recherches montrent que le cycle alimentaire est le facteur de risque le plus important pour les caries dentaires. Les chercheurs ont conclu que le brossage de dents ne peut que partiellement réduire l'impact sur la carie dentaire et que la réduction de sucre reste le meilleur moyen de réduire les risques de carie dentaire, en particulier chez les enfants. C'est tout pour la rubrique d'aujourd'hui. Mangez sainement et prenez bien soin de vous, ma chérie. Bye bye. Voilà, chers auditeurs, c'était là la rubrique rose, tout en espérant que vous avez kiffé. Les dates sont à l'honneur dans cette émission d'aujourd'hui, n'est-ce pas, <laughs> Et eh oui, c'est la vedette de ce mois béni de Ramadan. Chers auditeurs, euh, n'oubliez pas de nous rejoindre sur euh, le club WhatsApp du studio Kalangu en enregistrant ce numéro 80 06 88 54. Je dis bien 80 06 88 54 et envoyez un message WhatsApp Studio Kalangu au rythme du Niger. Découvrons à présent la recette culinaire. Aujourd'hui, nous allons découvrir une sauce qui est faite à base des feuilles d'oseille du poisson et de la viande de mouton. Comment prépare-t-on cette recette qui est très prisée dans les familles nigériennes Pour plus de détails, suivons Hawa Ousmane qui nous partage son expérience. To yau abincin da za mu muku shine miyar yakuwa ɗanya da kuma shinkafa ko tuwon laushi wanda kake so dai da shine zaka ci wannan miyar in ta ƙare. Da harko dai sai ki samu albasa, albasa mai yar dama. Ki samu yakuwar ki ɗanya, misali dai ki samu kaman kai biyu da kuma ki samu alayyahu shi kuma kai ɗaya. Sannan ana son attarugu da 'yar kanwa da 'yar tafarnuwa da ɗan gishiri da yaji sai kuma ki samu naman rago mai kyau wanda yake da mai amma kun ba wanda yake da mai sosai ba sannan kuma ana son ki samu kihi irin wannan kihin da ake cin fason fime in wajen ku babu shi kina iya samun kihin ki mai kyau irin wanda bai da kayan nan kanana. sai ki soya shi ki aje shi hura guda amma wurin soya kihin ha kar ki bar shi ya soyi kwarai har ya kai ga kyarmishi kamar irin wanda da an soya shi za a ci shi tare da tashi a'a to sai ki dora tukunyarki sannan kuma sai ki kawo wannan man naki ki zuba in namar naki yana da mai sosai na mai kamar kar ma ya isa in kuma naman bai da mai kina iya kara kaɗan bisa kar in kin dora tukunyar ki sai ki zuba mai in yayi zahi sosai ki zuba naman ki da albasa sannan kuma ki ɗauko yajin miyan nan kisa sai ki bar su su soyu zuwa can sai ki haɗa tafarnuwarki da ɗan ki wanda kika kulkula ɗan gishiri sai ki zuba dan ma kuma dai ki ci gaba da soyawa sannan sai ki zuba ruwa wanda zai dafa miki naman zuwa can in naman naki ya dahu ita wannan yakuwar da muka yi zance tun da harin da ita da wannan alayyahu in kika tsige su kika wanke su sosai sai ki sa su cikin tukunya ta daban ki tawasa su kenan a nan gurin sai ki samu yar guntuwar kanwa ki dan bala kaɗan ciki in ya dahu sai ki sa ki tace ba a so a zuba wannan ruwan a cikin miyan zuwa can miyar taki kin tabbatar da ta yi daidai ta dahu sosai sai ki ɗauko wannan yako da kika dafa da alaihu wanda kika tace sai ki zo sai ki zuba a cikin wannan miya ita wannan miya tana buƙatar da dodowa ta kalwa kenan kamar yadda na ci miki abincin mutum biyar ne kiyan dodowa kalwa in kika sa in kika sa manyan jimki guda ma ta isa an kuma ƙanana ne sai kin samu guda biyu kenan sai ki daka wannan dodowar taki sosai idan kina da wani dan attarugun ki kusa ko wani dan pavron kin san wani bai santa shi sai ki hada da su a lokacin nan sai ki zo ki zuba bayan kin zuba wannan yakuwa sai ki kara ɗan ruwa kaɗan sai ki bar shi ta holhosa amma ina jin hankalin ki wani gida kada ki sa wuta da yawa sai ki bar wannan daudawar ta shiga sosai a cikin wannan yakuwar saɗu tare da wannan miyar taki daɗa nan wurin kaɗan kaɗan kaɗan ki bar shi da hankali kwance har ya kai ga inda ya dahu ya hiddo mai daɗa lokacin wannan miyar taki ta yi sai ki maida ta hura guda kina iya yin tuwon shinkafa ko kuma tuwon masara to ni dai mafi akasari na yin wannan miyar da tuwon masara Voilà, j'espère que vous avez pris note, chers auditeurs. Restons en cuisine avec euh, Salamatou Kadri pour euh, une autre recette. Salamatou, qu'est-ce qu'il y a au menu Qu'est-ce que tu nous as amené Il faut nous candirse. Ani go farin ko kono hon kone kataguto andir wan hangan kaisi. Farin no kati alkam hamnola. Ya din dai no ruka ya farin dai kati farin dai kati alkam hamno. Hmm. Amma farin no monin bai farin foduma no ni gusuban. Zamni bai kan farin ai gocara afan goni gwanda haudai isikanu dai amma muke kidai den farin hannu masu ban makakan sun da gangame zan da noni zai din nan farin wace ci nimka nima hagai kalamu bori din na hagai magangamai nima hayadin kulkara ma da ni tasa fura walkwap fura magisin gerga wato din ci ne ni ka gudai zo mu mu bar ni gerga ka gudai ze ifu no ka gudai ma ka gudai zo gono habuno iga nera wal buti koiro ni gudu ka gudai zo ka gudai zo mu zanga ne bai koko guda zu gono to kan go haini ni gate da me woni ka gudai zo dai no kan iga da ke burenga te surundu wal harundu foi amma ya din mu no ni hinga te koko amma da farin wani son ma ka gudai zo nga mu ma bo ka nga wana leda rama dan tasa fura ga jisi wato tinkinga ne minu kuso ceci dun nan kuso nyumu min haro dangara kan ga wasense matkan cin daga bani koka ma da kani wana sharbon wabon din sin da sharbon min turo ceci zam gaza hanfoyan aga bosu ga mun ga dora ran min kuso da kam hina sai suru dan din kuso go zarga a zarga a zarga wato cin ni min ka lele ni gudai zu ni ma dorin kusora son lokaci ka lokaci ne ga ma ka tunan di a agogi zarga na kan kaina fukun ne ga tunan kan gana amsi kole, ganda kuso ga wala am koi gidi ga te hauni ko kasi nim nan amsi bai gi zarga da zarga a zarga a zarga kan ka dai wato din cin ne bai dai kan lalle ni wani ma ka gudai zo a nini ni ga ka ni mata ba ni ma kan a nini duk me mai hau mata don warta ga da hala dinu go me hau ni ma ka ni min kan bai zo dan ga musai Mm. kuma ga sandi ni musai ni gidi kan anni aran ma aran hinga musai wala motti mm-hmm. to ni ma motti <laughs> so wato din cinga nim ka ni min farin farino dibi din nin farino dibi masati kom kutuko din amsi kom amste hari cholololom amte re kurbu kurba talgi wali fo kurbu kurba talgi atin da gumu mm. am te iga kadin wokai kai wato cin ne ma dorin kusura zamni bai kan da zarga aga yega dino kwai ne son din dorin kusura ne ga tunandi da gombo mu su mu sani ga da mu su mu sani ga da kala kul mu furta rasan da ni gidi aga te hayu fu aga cardi nan faida am sabai ga zarga am sabai ga zarga furke farino mu mun ni zam da mun ne bo bai kan gunda ga hausan bu mhm. yan ga ni gina am sabai ga zarga ga sabai ga zarga kan nim da am te kuso me da kuso be na ga ga te kuru kuru fu a koguna hmm. ya dinga safi turki lalle ni wani koka a nini hmm. so din koka nini wato in cin gani gina din gwanda wa hamni ni gina wa hamno dibi ni masu gara hmm. wato in cin wani gidi kan ni wani koka ga yego kwarai kwai ne ah, sali wa hamni ko ni gidan ara wal babar gwanda wa har hari sangale lepi wa konkara ya ke ko a ga tan am kosu amma don dingon da le concentrate Mm. le concentré nga mo dinna da ngara ni ga tunan di kaina amma ni sidan sucre zam deja le concentré se sucre aga mm. agonda sucre ara amma wa hamno dai no ni dibi ne ma dangara ni ma tunandi borai kan yanga ba ko ka hawo mu kanu mm. dinga bani ko ka hawo mu kanu ni gingin aromatic yan dangara aromatic hamno gono butali zaira har haro gono amma wo ni gin da muni gin da sikir vandi mm. ino din sikir vandi da ngara ni matunandi mm. ni ku ka tenwa to ko ka wai bembe wa manga ni gara so bon dan yobon ni gwa da walka dini zumani a ku so nguno ni gin wadan amsar gara ni gidi mm. a ku kware a ma gu buri yadi mo gidi agu yutu wato en cinig bay kan ko kate boren gon kan za ku sora igin ga sikuro dan boren mo igi hin sur ka de wat kan cin se ninu ko ka zuman ninu bar tarmo ra ga dabu dabu ma har sai sai abon kan ga nan ko kama ste kuru Mm. da watan kin sani ka to a hayanga nigin sikro kara ni gada to ko kawo matuno borg de be halate sanga nikir se mat kiga te dai ko fu ai mate matra te be halate hala an him gatarno wala go kom gumno wala bindo sasabanta da yake danga kul mata kan niga baranu yan mm. go no zangare ko kadai no kan niga ta yakin ko ka kasa yan mm-hmm. go diman ko ka ta i kom gaba dinnu inga ni ga ma hayanka ni yan mo diman ti ate har har kainu funu me wane kan gondo guda zida te har har gumo asikanu zama gudai zai ganda no maka gudai zai kogoro ko ka gobe ne mhm. amma dai hadde asaba ngono ni gidi ngono ti hanna mm. salama to ngon hanfu zamanin mm. zamani ne ko kawo maka ni a aragate da mm. to sanga sa sabitina maka sa sabitina foni gidan ara quantité fo cina no gidan o burkul da am sko ba wala am kaina quantité fo cina ah da ba ga kanu dai no me burkul do kan cina ga ba dai no maka bumbo danga din sambu maka gudai zo paka asiberi gumu nige nga mm. fa ihinka nimce ci ayo farin kilo mi mm. kan niga dibi pake fo ga fa ihinka mm. danga da farin kilo fo no maka pake fa kul nigi hin gadan ara mm. to ir kan ti celibataire ni be han fo ir gi ngadan maka bo da te da te hawru a agin te hawru <laughs> da maka da a te kitip gumu oh. kun nigi sambu har dunguno nigi zargan di ko ta ga wani mm. ma har dunga dangara nigi sambu ni wana fifirgi wani gombo kain kain niga haro ente garara kain kain niga haro dangara niga tunandi niga haro dangara kain kain niga tunan niga haro dangara kai na kan niga di o fura et à mesure niga di ko ka gotan niga di a gotan kan nim di am agatan agate agu yutu kwa aga fatta kyarra ay hmm. ay tama iri cher celibataire kan go gira hangan <laughs> inge mun boda ay go go profiter da to salamat jirse ko ka borga yenen diga hanno wali dunga de no niga zama koko yango no il faut que nim danga ra glace sama koko traditionnel o kirga bay borga danga ra glace aga kanu est ce que woni borga ngi danga ra glace koka deja koko no kan gonda gudaize son din kaga glace danga ra mm. da gudungu ça veut dire que ni koka agte hari askanu agtar gudaize mm. gudaize maka gudaize kul ko cindi ganda mm. yan ga farin har da go han ganda wa me din ko ka yenen din bon sinigin ga dan firgora ya dir astar mm. me agin te din kaga ka firgara kul aga sandi Hmm. a ga sandi ya dinga din kaga ka ni gidan ara har ni bon ya din dai ni ma tunan di pour que am te am am si kom kwa ni ma han hmm. ni ga hinga han amma da go ganda wo kai asi sandi a ga yai ni ga hinga han ya din bore ngono wal ai man ban rukaya bore ngono kan ai di gidan ara raisin est ce que raisin wo din c'est obligatoire dole no bor madam to ni bai man ti dole no bor kula hina wanda no agugoida kani no asin da yadin dai gaba am kanu ai gidan ara rezan ai gahan dai dai sin da rezan hina boren gidan ara ba kwakwa oh. me hina dai no Mm. amma simplu da tini ma ka ni farinu ni mi zargan di kyarban da anini ni sikir vanila din sikiru to eh, sali mi ka hawodinga dinga ni ne kin gidan ra sikir vanile wala aromatic yan mm. to aiwa aromatic ne se kelko so gu sikir vanile mai siba vaniodin ai kin gidan ra sanga citronel wal mantia to dinga bani ni ginga harono ni zargan din da citronel za har dunga kan ni gugati har dun ni gote karaniga karaniga maka gudai zo hina ni sitro na sandara dinga ba is ara is a follo wali zihinka za nisiba aromatic kaidin wodin gidi haro hawo ga kanu ko ka hawo ga kanu Ok, merci salamatu Irigin okay, Fondo Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup aussi. Je vous retrouve ce soir à 18h pour le journal en langue germane Merci. Super. Bye bye. Cher auditeur, euh, Rukaya, mhm. on range les marmites et on quitte la cuisine pour revenir au studio et écouter la culture linguistique en Hausa avec euh, Maman Ada. Le mot de la semaine est sapeur-pompier. Bonjour, Maman Ada. Bonjour, c'est nous. Bonjour rukaya Bonjour Mamada. Eto, <laughs> eh, na ga eh, Sinu ba za ka eh, ba ka zama ka muna amsa da da Hausa ba amma za ni kokari. Yau safar famfi muna mai da hankali kan safar famfi wato safar da Hausa ana ce musu yan kwana-kwana ko kuma wato jami'an da ke kashe wuta ko gobara. Wato yan kwana-kwana jami'ai ne da suke aiki cikin gungu ko a kungiya da ke kai agaji ko ɗauki ko taimako ko wani ceto. kuma suna kare mutane suna kare dukiyoyin mutane kuma suna kare muhalli haka ta hanyar yaƙi da wato wasu illoli ko wasu haɗura na kowane iri dalilin kalmar wato kalmar da ake kira kenan ta kwana-kwana ta hito a nan domin jami'ai ne da ke ƙoƙarin kashe wuta ko gobara kenan ɗan kwana-kwana kuma wani mutum ne da ke aiki domin wato ya yi ƙoƙarin kashe wuta ko gobara da take yaduwa in ma cikin gida ne ta tashi ko kuma cikin daji ne kawo wuta daji haka duka 'yan kwana suna nan kokari nasu abu na biyu kuma wato 'yan kwana wato suna sanya ana gane su kamar in ka ga dan kwana ka gane shi saboda tufafin da yake sa na musamman ne da ke kare shi da wannan wuta da yake zuwa yana kashewa sannan kuma 'yan kwana suna aiki ne domin al'umma kuma aiki ne mai daraja saboda suna ceton rayukan mutane suna ceton dukiyoyin mutane suna ceton wato eh, dabbobi ma tunda wani lokaci har cikin gobara ana samun a ceto dabbobi balantana mutane kenan wannan aiki ne mai daraja da mutane suke yabawa sosai kuma abu mai muhimmanci shine mutane su rike cewa akwai lamba ta musamman wadda ake kira 'yan kwana-kwana wato wannan lamba ita ce ɗaya takwas wato sha takwas ko kuma 18 idan wato kun ga wuta ta tashi ko kuma an samu wata matsala to a gaggauta kira na waɗannan 'yan kwana-kwana ko safiyar pompe da ake ca da faransanci domin su kawo wannan taimako na su yi ƙoƙarin kashe wuta idan ta tashi ko gobara mm. kaji ta kamai malam seno ko kuma <laughs> amma ada akwai wani suna da ana kira safiyar pompe fifa ko eh ana <laughs> <laughs> ba ba safar pompe ne ake ba yan kwana kwana ne ake ce ma pipa ba eh. wannan motar tasu jan motar nan tasu da take zuwa tana kashe wuta ka san idan tana tahiya tana pipa pipa <laughs> to shine wannan sai mutane sun ce ga motar pipa nan ta zo ga motar kashe wuta ta zo ta safar pompe mm. to mun gode to mun gode mamma da kun ce yan kwana kwana suna da wani riga da ake eh, tun an gani riga eh, ana san kwana kwana ce Mhm. ada merci pour ces éclaircissements chers auditeurs si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais en hausa en german, en tamashek ou en fulfulde n'hésitez surtout pas à laisser un message ou un, un vocal et un message écrit ou un vocal au 82 89 89 64. À présent, écoutons les messages vocaux de nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. kiram mtu buzi ya haya club de kwit sai a wana presidentu irga wat kul kan no studio la kalambu langa kirga ma sanne kan ruwani da lokaci to irga hangani wat kul kan cine igno labari labari tabbatantan igno koi ne ganda kul kan ra'i furu ka dai dici nongo kan haya gogite iman boreno hankan gano fonda kan gana bor mo koy din bonse din tun din mani yadda. din kwai ni ko kwai kidi kan hayadin atte da yin insha Allah wadin sano wallahi wanda labarai irga akanjirsi zama kini no sani wani ga ya ni ga sani kulki bar mai afallon ka ni gino isi da kaga isi ga zaga jire kin ga ba su jire sun kufa a talata hana su jire ki gite wai bore bon fera din bon dan ir wai bore ir no goga bafune da zanke ai Imar Maryama Amadu ayo etidian tunane wasai. Wallahi studio kalangu labarai igogo bori gungu zami go kanno borai se bon ferai. Ale met kan dunya te diro go te de man kan mono borai ginga ba funa han hansanda. Igo kanda borai se go te bon ferai gumgo borai go gi hanga igo du bon ferai. wani gama labarai kan go zurgowin di kim wani gamantin da tare wani zamin ga yo hali ga hayata iko ga kontrole ga dino wato ga yin kara di fi sai barais labarai kin koyin o kim go ton ton dai im go ton ambori surtout borai ba funa bon hara iru wai borai zamir wai borai iru ta tabi gumo in borai bo ngai feri man kan borai ga tega gorin ngai fayra dingai wana ba funa te da ambori janga education o hara batkan kan borgi ni faya din wani zankai ni muduga ko ayo eh, musa ne ma ayo ko ma sanno kan ga kolkoti and jiya ne eh, ah, sai ai godu bon fe kim kim kim kim gum gum dam labar da bayan kulin ga ma radio fo ba mayo eh, ne ka dai da kalan gufe ngene dugi hanga mm, din ni hanga mu gam igama ibobo ba kan fo afo mu iswasi da kande amma pre ga ko ga ma ga ji fo hinka ga ma kan ga ba gungumu surtout france il lundi. E kanno iga e faransa te labare iga ba e dato lendi wal magdi yan iga kiba wasu zuwa kanno wikende a igi samise Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Et oui, chers auditeurs, euh, vous pouvez euh, désormais télécharger l'application du Studio Kalangu dans Play Store Studio Kalangu au rythme du Niger. Nous sommes à la fin euh, du Niger sur Kalangou d'aujourd'hui. Vous étiez en compagnie de Rukayatou Abdrahman et moi-même Ali Moukelaouseni, alias Senou. La technique était assurée par Isaka Issa Lawali et Rahila Tsumana, notre chef d'édition. Fidèles auditeurs, pour réécouter les journaux et les magazines sur Studio Kalangou, appelez le 325 gratuitement jusqu'au 5e appel et 15 francs au 6e appel via la puce RTL. Excellente journée à vous et bonne rupture. bye. bye.